le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du le forum du studio le le forum du studio le 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont d'abord la Commission électorale nationale indépendante CENI qui a finalement retenu la date du 13 décembre 2020 pour les élections locales et régionales. Ensuite, en seconde position, nous parlerons de la réouverture le 1er août 2020 des frontières aériennes du Niger après plus de 4 mois de fermeture pour cause de la COVID-19. L'actualité, c'est aussi la mission de médiation dépêchée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO au Mali pour tenter de désamorcer la crise qui secoue ce pays. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir El Hajj Mohamed Souleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Alhaji Mahamadou Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukara de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Et Rufai Dandoua, journaliste indépendant. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. 13 décembre 2020, c'est finalement la date retenue pour l'organisation des élections locales et régionales au Niger. L'annonce a été faite ce matin à Niamey par Maître Issa Kasuna, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est à l'occasion d'une rencontre d'informations et d'échanges sur le processus électoral entre les partis politiques et l'institution électorale. Écoutons Maître Issa Kasuna. Bonjour elle revient et vous propose une date qui répond à vos préoccupations, mais qui tient aussi compte de ses capacités logistiques, financières et organisationnelles. Il s'agit de la date du 13 décembre, qui est une date qui met les élections locales avant toutes les autres. Et c'était cela qui avait été demandé dans cette salle. Je dois vous annoncer que dans la décision d'adopter cette date, nous étions plus mis par un devoir de contribuer à la recherche de la sérénité et de la paix qu'autre chose. Sinon, cette date a un certain nombre d'exigences pour vous les partis politiques, mais aussi pour l'AC. Si ces élections nous les organisons là, c'est que du point de vue euh, légal, nous n'avons pas d'autre date en raison des éléments de confection du fichier public. Nous n'avons pas d'autre date utile avant celle-là. Hassan Boukar euh, de la radio alternative. Vous venez là euh, de suivre euh, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Issa Kassouna, au sujet de la date de l'organisation des élections locales avant les autres élections. Quel commentaire sa réaction suscite en vous Merci Mokhtar. Je pense qu'on peut dire après lecture, que c'est une victoire pour les partis politiques qui l'ont revendiqué. Parce que je pense que dans les réunions du CNDP, euh, au-delà de l'opposition qui a boycotté les sessions du CNDP pendant longtemps, au sein même de la majorité. Je pense qu'il y a une divergence apparemment entre le PNDS euh, qui semble accepter le calendrier initial de la CENI, qui reportait les élections euh, jusqu'en janvier, je crois, et les, ses autres partenaires qui voulaient coûte que coûte les élections locales, donc avant les élections présidentielles et législatives. Donc après, la première lecture qu'on peut faire, c'est que justement, ça montre euh, que l'activisme euh, engagé a, payé. Deuxième chose, à titre personnel, moi je considère que c'est une bonne chose qu'on donne toute son importance aux élections locales parce que je pense que la démocratie, elle se renforce au niveau local. C'est vraiment des élections de proximité qui mettent vraiment au cœur euh, la citoyenneté, qui renvoient aux intérêts euh, aux attentes immédiates des communautés. Je pense que pour moi, la démocratie, elle doit surtout se renforcer à la, base. Plus elle se renforce à la base, plus elle peut avoir un effet positif sur le reste. Alors, pendant tout le régime de M. Youssou, rappelez-vous tous ces différents reports des élections locales. On peut toujours trouver une raison pour justifier ces reports, mais ça peut aussi laisser croire qu'il s'agit d'un manque d'intérêt pour les élections locales. Donc, à mon avis, euh, je pense que c'est justice de vraiment organiser les élections locales en ce moment. Maintenant, euh, une des choses qu'on entend des acteurs politiques, c'est de dire ayons les élections locales avant les élections générales. Ça permet de dire quelle est la position, quelle est la force de tout un chacun sur le terrain. Sauf que, euh, alors, les élections locales vont se tenir le 13 décembre les présidentielles le 27, il y a seulement deux semaines. Je ne sais pas si en deux semaines, on a la possibilité d'avoir tous les résultats et de même de battre la campagne. Voilà. Qui, est vraiment qui euh, Quelle est la position des uns et des autres Quels sont euh, les résultats des uns et des autres sur le terrain Afin que, à partir de ça, on puisse se projeter ces élections législatives et présidentielles. Je me pose vraiment cette question-là parce que 13 décembre, 27 décembre, je assez court, c'est seulement deux semaines d'écart. Est-ce que l'enjeu, c'est véritablement de connaître les résultats des législatives avant le présidentiel euh, Si c'est ça, je me pose des questions. Mais les acteurs politiques, euh, on verra comment ils vont réagir à cette euh, proposition de, de la CENI. Mais encore une fois, ça laisse croire que, bon, tout le monde veut des élections locales, y compris le MNSD. Alors pourquoi je cite le MNSD Parce que Généralement, les partis dits grands, les grands partis, euh, considèrent qu'ils peuvent faire les, législatives, les présidentielles. Ils s'investissent beaucoup plus sur cela. Ce sont les partis dits petits ou en tout cas de moindre envergure qui n'ont pas parfois les moyens de postuler pour des élections législatives ou présidentielles, qui s'intéressent aux élections locales. Et donc, on peut être surpris aujourd'hui de voir des partis comme le MNZ vouloir vraiment qu'il y ait ces élections locales euh, avant c'est peut-être euh, quelque chose qui montre aujourd'hui tout le changement qu'il y a eu euh, dans la taille des partis, la façon dont les partis ont été impactés pendant les dix ans de ce régime. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des signes qui montrent qu'aujourd'hui, le terrain politique a véritablement changé dans notre pays pour expliquer ce report, la CENI avait avancé le retard qu'elle a accusé de la confection du fichier euh, électoral national biométrique euh, du fait notamment de la pandémie du Covid-19, de l'insécurité dans certaines zones du pays et de la grève des agents recenseurs. Euh, comment davantage ramener la sérénité au sein de la classe politique pour des élections apaisées je pense déjà que c'est un pas, comme l'a dit eh, Hassan Boukar, euh, c'est un pas qui a été fait et on semble euh, aller vers un consensus puisque c'était la grande doléance de presque la majorité des partis politiques au sein du CNDP, y compris ceux qui sont avec euh, le PNDS, qui sont leurs alliés, en demandant de commencer d'abord par les élections municipales avant les législatives et les présidentielles. Je pense que aujourd'hui, on semble aller vers euh, un apaisement, vers un consensus qui va permettre d'aller euh, normalement aux élections euh, générales dans la paix. Mais maintenant, les élections locales qui n'ont pas été organisées depuis plus de dix ans, est-ce qu'elles permettront aux partis qui ont demandé, surtout les partis non alliés, oui, non affiliés, qui ont demandé ça de, de voir véritablement leur représentativité au sein de, de communautés locales, je ne pense pas. Moi, je pense que plutôt ça peut être un couteau à double tranchant, puisqu'il risque de voir beaucoup de partis politiques qui vont mourir à partir de ces élections euh, locales qui seront organisées. Pourquoi Parce que euh, sur la cent trentaine, je crois, on a 130 ou 142 partis politiques au Niger. 143 partis politiques au Niger. Aujourd'hui, je ne pense pas sur, sur les 143 partis politiques, 100, à 110 partis politiques auront même une représentativité au, au niveau local. Donc, à partir de là, je pense qu'on doit tirer les conséquences. Si à partir de ces élections locales qui auront lieu avant les législatives et les présidentielles, si on se rend compte que la majorité de ces partis eh, n'ont plus aucune représentativité, on doit tirer les conséquences pour se dire que eh, ce n'est plus la peine d'avoir autant de partis politiques au Niger. Pourquoi Parce que eh, c'est vraiment trop et ils bloquent puisque c'est la majorité de ces partis qui ont bloqué même les, rencontres du CNDP. Maintenant, eh, je pense aussi que la représentativité sur le plan local ne déterminera pas ce qui va se passer aux élections présidentielles parce que eh, au niveau local, deux fois, on vote un ami. Vous voulez dire que les élections n'ont pas le même enjeu Oui, elles ne, vont pas déterminer qui sera, par exemple, le président de la République au Niger. Pourquoi Parce que eh, souvent au local, on vote un frère, on vote un ami, on vote une sœur, un oncle, une tante, vous voyez. Mais quand ça devient un enjeu national, ça devient autre chose. Donc, on peut par exemple voter. Aujourd'hui, je peux voter pour mon ami qui est toujours avec moi. Mais quand il s'agit de présidentiel, je peux ne pas voter son parti. Mais je vote un autre parti qui, je pense, peut plus. Donc, selon vous, euh, ces élections-là peuvent aussi fausser des calculs pour certains partis politiques euh, qui, qui, veulent maintenant encore brouiller les, jeux, ils peuvent penser que ça, ça, ça, ça, ça brûle les calculs, Mais pour moi, pour moi personnellement et pour ce qui se passe encore ailleurs dans les autres pays dans le monde, les élections locales, eh, elles, sont, elles ne sont que locales. Vous comprenez ce que je veux dire Vous, ne choisissez pas eh, quelqu'un ou un parti politique. Parce que quand vous prenez par exemple, aujourd'hui, dit il y a les partis politiques normalement qui veulent que ce genre d'élection ait lieu. Donc vous prenez un petit parti politique qui n'a pas une envergure nationale, qui peut-être a juste une envergure locale. Vous choisissez parce qu'il va être un conseiller pour demain, il va choisir celui qui va être maire. Mais maintenant, demain, vous allez voter au présidentiel un parti politique qui a une envergure nationale. Donc, un parti politique qui aspire à diriger le pays. Donc, c'est pour ça que je dis on peut aller aux élections locales, avoir eh, la force de tous les partis politiques sur le plan local, mais ça ne va pas déterminer les élections présidentielles qui vont avoir lieu. Donc c'est pour ça aussi que j'ai dit que c'est à double tranchant, c'est un couteau à double tranchant. Ils ont eu ça, mais maintenant à eux d'assumer les conséquences. L'autre aspect, c'est maintenant de se dire, oui, et pourquoi depuis tout ce temps, la CENI n'avait pas pensé à cela. Si ils pensent qu'on peut faire les élections, pourquoi traîner jusqu'à arriver aujourd'hui et perdre du temps à tout le monde, aux partis politiques, au peuple nigérien, pour rien. Alors qu'on savait qu'il y a une date qu'on pouvait insérer pour faire les élections locales avant les élections législatives et présidentielles. Alage Mohamed Suleiman, prévu depuis 2016, les élections municipales et régionales ont été sans cesse reportées. à l'a rappeler tout de suite. Pensez-vous que le débat est finalement clos cette fois-ci Il faut se réjouir justement du fait que les acteurs sont revenus à des meilleurs sentiments. Euh, c'est-à-dire que c'est déjà en réalité aussi, quand on parle de délai constitutionnel, c'est qu'effectivement les locales font partie donc, des élections. Euh, je pense que pour le régime en place, euh, c'est quelque part en fait euh, euh, une aubaine, c'est-à-dire que parce que ça pourrait être un problème, on va le reprocher justement de toujours reporter les locales. Donc maintenant qu'ils ont, en fait, ce, que disait tout à l'heure travail en réalité la CENI, l'avant-dernier CNDP, avait informé à six mois des élections que voilà, en fait, avec l'impact du Covid-19, euh, voilà, parce qu'à l'été, normalement, les, élections locales étaient prévues pour se tenir, je crois, le 1er novembre. Mais avec la situation, ils ont dû vraiment reporter pour demander soit euh, les jumelles, euh, les gens ont proposé, soit qu'ils soient jumelés avec les, avec les, législatives. Les principales premier, premier tour ou bien législatives. Mais ils ont proposé de les faire après, donc, je crois, le 7 janvier. Maintenant, finalement, à la suite de la rencontre, il faut aussi le dire, entre le président de la République euh, euh, et le haut représentant, donc euh, le, président de MNCD. je pense que cette rencontre a surtout, surtout, je pense, fait bouger les lignes. Et ça vaut ce que ça vaut. On pourrait dire que véritablement, malgré le blocage du dialogue, eux e deux, ils ont eu la prouesse euh, de donner la situation, c'est une très bonne chose. Et je pense que la question qu'il faut se poser, c'est par rapport au dialogue politique général. Cela veut dire que s'il y a la bonne prédisposition, s'il y a une attitude dialogique, on pourra justement s'entendre sur l'essentiel. Et donc aujourd'hui, euh, l'opposition est en train de constater que on, euh, est en train de céder justement certaines revendications à elle. Euh, maintenant, il me paraît évident que euh, la question de la démission des membres de la Cour constitutionnelle ou bien, bien la, la, la CENI, ça, vous voyez, c'est assez complexe. Mais dans tous les cas, moi, de mon point de vue, mhm. euh, une fois en politique, tout est possible. Il faut d'abord être sur la table pour discuter des choses. Mais quand tu n'es pas sur la table, comment tu peux justement dire des choses comme ça, des choses souvent très très compliqué. Donc il faut être sur la table. En politique, c'est-à-dire qu'ici, c'est une question de, de, de rapport forces, c'est une question aussi de, de, je veux dire, de bonne compréhension pour mettre en avant euh, euh, la paix et la sécurité de notre pays. Donc euh, il est important justement à ce qu'on peut espérer que, effectivement, les gens se retrouvent, vous parce que c'est quoi euh, Nous avons appris hier, par exemple, que euh, l'OIF est venu pour auditer le fichier. Tout ça, c'est des éléments vraiment qui montrent qu'il y a des gages de transparence parce qu'un fichier est fait vraiment à, méritement, on dit, on va l'auditer. Et ça aussi, c'était une exigence, en tout cas, des, des, des partis politiques. L'autre fois, le Premier ministre avait dit, effectivement, si cela est possible, on va d'abord auditer le, fichier, c'est-à-dire dire aux gens que ce fichier répond aux critères vraiment d'un fichier, en tout cas, qui va garantir des élections fiables, en tout cas transparentes et, libres. Donc je pense que c'est important. maintenant, l'enjeu, c'est quoi C'est que, bon, en réalité, c'est une façon de dire pour le... Parce que les gens avaient pensé que justement euh, le PNDS particulièrement, c'est en fait euh, accroché, ils ne veulent pas le faire. Non, c'est qu'en réalité, euh, il ne faut pas se méprendre le parti qui est au, pouvoir. enfin, le local pour eux, je ne pense pas qu'ils ont peur de faire le, local, je ne pense pas qu'ils se disent qu'ils vont perdre en le faisant. Tout simplement, il y avait à certain moment la CENI, qui est l'organe technique, qui avait dit que voilà ce qu'ils peuvent faire techniquement, selon leurs moyens, tout à l'heure, ce que Maître Isaacson a dit, il avait dit l'autre fois qu'il a fait des propositions que voilà vraiment notre capacité de faire des élections. Bon, ça fait débat et on se rend compte que véritablement, de la discussion, euh, la lumière peut justement gérer. Et ce qui est arrivé, on est maintenant revenu. Le va se passer avant les autres élections. Et c'est une très bonne chose pour moi. Je, pense que c'est. je pense que ce matin, euh, l'opposition a sorti un, livre blanc dans lequel ils ont attaqué la Cour euh, constitutionnelle d'être partisane et en plus du fait de demander la, euh, le départ des membres de la CENI, je me dis que s'ils veulent que la CENI euh, démissionne et qu'ils demandent aussi à la CENI d'organiser les élections locales avant les présidentielles, c'est vouloir une chose et son contraire. Il faut que les acteurs politiques nigériens s'assiedent sur la même table, discuter et trouver un consensus et aller aux élections. Ce pays a besoin d'aller aux élections. Il faut que de la même façon, de la que le président montre euh, un, signe de quitter, il faut que eux aussi accompagnent ce, le processus. Voilà le processus pour que pour la première fois qu'il y ait euh, un changement de, de, régime en bonne et due forme. Après plus de quatre mois de fermeture, le gouvernement du Niger a annoncé en Conseil des ministres euh, du vendredi 17 juillet la réouverture le 1er août 2020 des frontières aériennes euh, du Niger. Cette mesure, selon le communiqué du gouvernement, euh, sera accompagnée de plusieurs dispositions dont le contrôle de température à l'arrivée, la présentation d'un bulletin PCR COVID-19 négatif datant de moins de 112 heures, le test Covid rapide et le prélèvement pour le PCR à effectuer de la descente de l'avion et la proposition d'autoconfinement avec une adresse précise. Alage Mohamed Suleiman, comment les Nigériens ont-ils accueilli cette décision du gouvernement nigérien mais ce que vous savez, depuis cette situation de fermeture de frontières, euh, les jeunes ne voyagent plus. Euh, ben, il y a beaucoup de contraintes euh, liées à cela. Il faut faire avec, mais je pense que pour l'économie du pays, pour beaucoup de choses, pour la libre circulation des personnes et des biens, c'est une très bonne chose. Mais je me rends compte que euh, la question des mesures, il faut l'apprécier d'abord au niveau national euh, ce que, franchement, mon constat, c'est que depuis un certain y a un relâchement terrible où vraiment les gens sont revenus à leurs habitudes comme si vraiment la maladie c'est fini. Donc euh, vraiment, je pense qu'il faut continuer donc le, le rappel. En tout cas, il faudrait justement parce que là, le danger justement, c'est l'arrivée des autres, euh, des étrangers justement dans le dans le pays. On peut si les mesures, en tout euh, cas, depuis, sont, depuis quelque temps, c'est des cas importés que nous enregistrons ici au euh, Niger. Euh, justement, ce que, ici, vous savez souvent, ce qui est très délicat, dans la gestion de ces, de ces gens, parce qu'il faut confiner les gens, donc il ne faut pas qu'il y ait une certaine faille au niveau du contrôle. Parce que à l'aéroport, si jamais, jamais, effectivement les gens euh, ça à la complaisance, effectivement, on pourrait aggraver la situation. C'est-à-dire que on on pense que jusqu'ici, ça va la gestion de, de, cette euh, pandémie. Donc bon, franchement, on va à une étape où on sait qu'il y a des pays vraiment, la, situation est, loin d'être vraiment reluisante. Hein. Donc les gens qui viennent de ces, de ces pays, donc il va falloir vraiment faire euh, très attention. Mais je pense que ce n'est pas seulement euh, ça qu'il faut gérer, il faut aussi insister au niveau national le comportement. Aujourd'hui, quand vous allez dans, les mosquées, partout, vraiment, les gens, les euh, réunions. franchement, euh, les gens, il n'y a, pas de mesures barrières, en tout cas, tout simplement. Les gens s'adonnent à leur activité, comme vraiment, il euh, n'y a rien, on n'a jamais parlé de, coronavirus. Donc, franchement, je pense qu'il faut que la, la veille soit vraiment permanente, non seulement en s'intéressant, parce que les mesures que vous avez énumérées, effectivement, au niveau de l'aéroport, la, de la, si c'est vraiment mis en pratique, je pense qu'on pourra se conscrire vraiment les, les, cas qui, qui, vont, qui, vont, venir. Mais maintenant, au niveau national, donc, ça qu'il faut vraiment redoubler vraiment de vigilance. Dandoua, pour fouler les sols nigériens, les voyageurs devront présenter euh, un bulletin de test négatif à la COVID-19 datant de moins de trois jours. Et là, en est de même pour les voyageurs quittant le Niger. Euh, quelle est votre opinion à ce sujet Je pense déjà qu'il ne faut pas comme limite certains pays parce que certains pays ont rouvert leurs frontières qu'on fasse de euh, rappelez-vous. Pour vous, il n'est pas temps de, rouvrir les frontières Rappelez-vous, rien qu'hier, euh, le Madagascar, qui avait fait une sortie tout à travers son président pour dire qu'ils ont trouvé le remède de cette maladie, le Madagascar a demandé l'aide internationale pour. Euh, faire face à la À cette maladie. C'est dire que aujourd'hui encore cette maladie existe encore. existe mais pas comme au, au Niger, pas comme elle existe dans d'autres pays. C'est pour ça qu'il faut euh, redoubler de vigilance. Mais je suis quelque part d'accord qu'il faut rouvrir euh, les aéroports parce que nous, euh, les cas qu'on avait estimé avoir ou l'annonce qu'on avait faite pour, que, pour euh, certains, nos pays n'est pas au euh, ce qu'on a vu. Donc je pense qu'il faut euh, rouvrir les frontières parce que les gens ont souffert, l'économie a souffert aussi, donc il faut le faire mais avec le respect des mesures barrières telles qu'édictées par les autorités. Si tant est que tout ce qu'on a dit est respecté, je pense qu'on peut aller petit à petit à rouvrir les frontières pour que le commerce reprenne, pour que la circulation des personnes et des biens reprenne aussi afin que les gens puissent euh, vaquer à leurs occupations parce que les gens ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup perdu sur le plan économique, beaucoup ont perdu euh, de leur argent. Donc je pense qu'il faut qu'on reprenne, mais qu'on sache que la maladie existe, qu'elle peut revenir à tout moment, donc il faut être extrêmement prudent, mais avec les mesures barrières, je pense que ça peut aller. Hassan Boukara, le pays a fermé ses frontières le 17 mars suite aux mesures euh, prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Et depuis le mois de mai passé, les lieux de culte et les écoles ont réouvert, mais les frontières terrestres restent fermées. Euh, pensez-vous que le gouvernement nigérien peut encore faire quelque chose au niveau de ses frontières terrestres je pense que l'ouverture des frontières terrestres aurait pu avoir un impact euh, beaucoup plus important. Que, les frontières aériennes. Les frontières aériennes, à mon avis. Euh, comme le dit là, par exemple, euh, l'ouverture, à mon avis, d'un point de vue économique, aurait plus d'impact les frontières terrestres, ne serait-ce que pour le va-et-vient de personnes, pour le va-et-vient de marchandises. À ce moment, l'impact serait plus important. Maintenant, ce que j'interroge, c'est que, bon, on est entouré des pays qui ont eux aussi fermé, fermé leurs frontières. Sinon, on ouvre pendant qu'eux se ferment. Je ne, sais pas qu'est-ce que ça va donner. Voilà, alors, alors euh, donc finalement, le Nigeria avait bien fermé avant le Covid-19. Rappelez-vous de ce mhm. conflit qui fait qu'elle a fermé jusqu'au Bénin toute sa frontière. Donc les frontières sont fermées. Les autres, à cause du Covid, ont les frontières fermées. Donc, sur, euh, à mon avis, ce type d'initiative aurait pu venir de la CDAO. C'est-à-dire que nous sommes au sein d'une organisation régionale. Euh, les 15 pays peuvent se concerter, ou au moins au sein de l'UOMOA cest que les pays se concertent, ils font le suivi de l'évolution de la pandémie euh, sur le territoire de l'UOMOA, des, des, des, huit pays qui composent mois, et on décide de rouvrir les frontières, que ce soit terrestre ou, ou, aérienne. Nous, on n'a pas, on pas d'avion, bon, c'est ça fait. Peut-être qu'on va faire des vols internes et, tout ça. Peut-être que ça peut être utile euh, pour euh, certaines catégories euh, des biens, de certaines transactions. C'est peut-être utile, mais bon, la plupart des pays aussi d'où les avions viennent, leur, espace aérien reste encore fermé. Donc je ne pense pas que ça va avoir un impact euh, très très important que si on avait ouvert, par exemple, les, les, frontières terrestres. Maintenant, les mesures, oui, euh, c'est bien qu'il y ait ces, ces mesures. Je pense que euh, là, en Afrique, on l'a testé du temps d'Ebola. Hein. Quand vous voyez du temps d'Ebola, vous avez ce contrôle dans les aéroports. C'était, je pense que dans beaucoup d'aéroports, vous retrouvez ce dispositif de contrôle. Du coup, lorsque le Covid est arrivé dans certains pays, ça devenait comme une reconduction de ce qui existait déjà, d'un mécanisme qui est plus ou moins rodé. Ben, s'il y a ces mesures, peut-être que ça va limiter l'arrivée, mais on peut s'interroger aussi, mais, pourquoi nous, on est les premiers à ouvrir euh, les frontières aériennes Je me demande véritablement qu'est-ce qu'il y a. Je, ne pense pas que le gouvernement a beaucoup communiqué là-dessus. Les, raisons véritables qui font que nous, on ouvre tout de suite, alors que eh, on n'est pas l'Éthiopie ou le Kenya, quoi, qui ont de grandes compagnies aériennes et qui mesureraient l'impact négatif si les frontières restaient, fermées. Je, je m'interroge vraiment sur ça. Parlons à présent de la crise malienne pour terminer. La reconstitution de la Cour constitutionnelle avec la réintégration des 31 députés récalés à l'Assemblée nationale, la formation d'un gouvernement d'union nationale avec 50% pour le pouvoir, 30% pour l'opposition et 20% pour la société civile. Ce sont entre autres recommandations issues de la mission de la CDAO conduite par l'ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan du 15 au 19 juillet 2020 au Mali. La mission recommande par ailleurs aux autorités de finaliser les enquêtes sur les morts survenues lors des manifestations des 10, 11 et 12 juillet, précise le communiqué final. Rufai Dandoua, que faut-il savoir au sujet des recommandations et propositions de solutions de sortie de crise au Mali proposées par la mission de la CDAO et qui n'a pas été acceptée par l'opposition qui demandait la démission du président Ibeka. Oui, je crois que euh, euh, même l'opposition à Ibeka commence à, comprendre que ce n'est pas bien de, demander le départ de, Ibeka parce que j'ai suivi Imam cours sur France 24 qui disait qu'ils ont compris que ce n'est pas bien maintenant de demander le départ, le de Ibeka et, c'est une bonne chose parce que demander le départ d'un président démocratiquement élu, même si il n'arrive pas à bien gérer, moi je ne trouve pas ça euh, bien, je ne trouve pas ça normal parce que le président a été élu conformément à la Constitution, il est élu démocratiquement, il a un mandat qu'il doit finir. Maintenant, s'il faut négocier, discuter avec l'opposition parce qu'il y a un problème dans le pays réel que tout le monde a reconnu. La Oui, oui, je suis entièrement d'accord, mais demander le, départ d'un président de la République juste parce qu'on lui reproche d'être laxiste ou on lui reproche de n'avoir pas bien géré le pays, je pense que ce n'est pas normal. Ça ne se fait dans aucun pays du monde. Il n'y a qu'en Afrique que tu vois ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Donc c'est pour ça. Et quand j'ai suivi, une interview de, de imam, de l'imam Deco sur France 24 où il disait euh, qu'ils ont compris que ce n'est, ce n'est pas bien. Maintenant, ils changent de, tactique. Ça, je trouve que c'est une bonne chose et je trouve que c'est trop sage. Il dit aussi que ce n'est pas bien de, de juste former un gouvernement d'union nationale parce que le, le, le, le, problème du Mali est un, un problème qui dépasse la formation d'un gouvernement national. Ça encore, je suis eh, d'accord. Mais maintenant, eh, s'il faut à chaque fois en Afrique qu'il y a un petit problème, que le peuple se soulève pour demander le départ du président, pour changer de, régime, pour changer de constitution. Je pense qu'il faut qu'on revoie même le fondement de, de nos États. Il faut qu'on revoie eh, le fondement de, de nos constitutions pour qu'on ait des, des, États solides, des nations solides. Parce que, vous comme je le disais, vous ne voyez pas ça ailleurs. Oh, vous le voyez un peu en Amérique latine, eh, mais pas en Europe. Jamais. Pourquoi Donc il faut se poser ce genre de questions pour voir ce qu'il faut faire aujourd'hui. Maintenant, la CDAO est partie, elle a fait des propositions, d'accord. Il faut que, euh, que chaque partie étudie ce genre ses propositions parce que le problème est aujourd'hui entier. Il faut que le Mali retrouve sa stabilité. Sinon, comme l'a dit le président Goodluck, si le Mali tombe, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui va tomber. Donc, il faut qu'on trouve des solutions rapides à ce, problème afin que le Sahel, qui est déjà euh, sous l'emprise de, forces terroristes ne, ne laisse pas un pays comme le Mali. Regardez récemment euh, avec cette histoire de Covid-19 et ce qui a secoué les pays comme l'Espagne et l'Italie, l'Union européenne a fait bloc pour sauver et trouver un accord, comme l'on dit, historique. Pourquoi ne pas le faire ici et euh, au Mali j'ai suivi une déclaration de, de Paul Kagame qui disait que le Mali a une histoire civilisationnelle importante. Les Maliens était un peuple fier. Aujourd'hui, tout le monde rit du Mali. Donc pourquoi chaque fois c'est en Afrique qu'on trouve ce genre de choses Je pense qu'il faut s'asseoir sur une même table, que l'opposition euh, au régime de Ibeka comprenne qu'elle joue aussi l'avenir de son pays, tout comme Ibeka aussi ça c'est sur une même table, qu'ils discutent et qu'on trouve une solution rapide. Il faut qu'ils écoutent la Syrie, il faut qu'ils écoutent la communauté internationale, mais aussi la solution doit venir du peuple malien. Alage Mohamedou Suleiman, dans un communiqué, euh, le M5 RFP affirme que les propositions de solution de la mission de la CDAO ne correspondent absolument pas aux aspirations et attentes exprimées par le M5 RFP et portées par l'écrasante majorité euh, du peuple malien. Comment expliquer cet état de fait et quelles solutions pour le Mali selon vous Moi, je pense que le comportement de l'opposition malienne euh, et la société civile, parce que c'est une coalition, est tout à fait légitime. Euh, je pense qu'ils ont placé la horterie haute parce que simplement, ils ont vraiment vu la défaillance du pouvoir en place. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tout le monde voyait le pouvoir vraiment à terre, c'est-à-dire que étaient vraiment, c'était comme au Burkina Faso, ils étaient vraiment euh, presque, euh, en tout cas, à un état de, de, chasser le président parce que euh, avec les rencontres de vendredi, en tout cas les, les meetings qu'ils font, le pouvoir était vraiment acculé et je pense que c'est tout à fait normal de penser que il faut demander un changement euh, très profond, pour ne pas être radical. Euh, maintenant, on l'a compris justement, il demande plutôt le départ du Premier ministre euh, que le président de la République. en fait, en réalité, moi je dis à la suite de Rufai, la nuance c'est que, en fait, oui, on peut être démocratiquement élu mais il faut ne faut pas nier que les griefs faits à la gouvernance de IBK sont aussi graves. C'est la corruption, c'est vraiment la gouvernance dans tous les aspects et aussi l'insouciance. Euh, euh, aussi, on, dit par exemple euh, le, comportement de sa, de, sa famille par rapport au bien de l'État. Bref, disons, qu'en réalité, il y a une situation créée par du fait du régime, justement, qui fait que tout le monde dit que non, ce n'est pas normal. Donc je pense que même si on est élu démocratiquement, euh, et et c'est pas seulement au Mali, c'est un peu partout. Donc maintenant, les, peuples sont, sont aussi légitimes de demander effectivement de changer les choses. Maintenant, euh, c'est une question de, rapport de force. On se rend compte que euh, aujourd'hui, le monde, on n'est pas dans une une autarcie, en tout cas, on, est, on a par exemple, la, la, la CDAO est venue euh, je crois savoir que les chefs d'État sont allés à la suite donc de, des ministres. Donc tout cela, on va, on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, il y a des fortes présomptions et euh, apparemment c'est déjà acquis. Ils vont sauver euh, Ibeka. Et il faut quand même aussi une des, reproches qui est fait aux chefs d'État à la CDAO, c'est qu'effectivement, elles étaient là, ils n'ont pas... Euh, c'est-à-dire qu'ils ont... Bien, avant la, la sortie de l'opposition. Justement. Ce qui fait que, franchement, l'opinion publique malienne se moque pas mal. Quand vous lisez la presse malienne, vraiment, les gens ont tendance vraiment à euh, dire que la CEDEAO, c'est une quantité négligeable. Donc, il y a quelque part aussi euh, une sorte de laxisme dans la gestion de la crise malienne au niveau de la CEDEAO. Donc, bref, euh, pour vraiment faire, court, ce que en Afrique, tu parles de, on compare avec l'Europe, il faut qu'on se dise que la démocratie, c'est une valeur universelle, c'est le comportement, c'est la bonne gouvernance. Il y a des règles vraiment qui sont, on euh, peut en Afrique comme en, Europe, c'est la même chose. Maintenant, en réalité, c'est notre, nos mauvaises pratiques qu'il faut, qu'il faut renoncer. rapidement, en une, minute. faut se soulever à chaque fois qu'il y a corruption, dans un pays, qu'il y a népotisme dans un pays, qu'il y a euh, des, morts dans un pays, on l'aurait fait au Niger parce que c'est presque la, euh, la, même chose. Sauf que nous, euh, on a un État, un État qui est fort ici on a, ils ont fait au, Burkina. Où est le Burkina aujourd'hui Le Burkina, ce n'est pas, il est à terre aussi. Ils ont fait ça en Libye. Où, où se trouve la Libye Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut être extrêmement prudent pour ne pas encore avoir un autre pays et en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, qui sera confronté à ce genre de situation. Hassan Boukara, cinq chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO étaient euh, ce jeudi euh, au, Mali en vue de contribuer à apaiser le climat euh, socio-politique et trouver une issue à la crise politique euh, qui perdure depuis l'annonce des résultats des législatives le 30 avril dernier. Il s'agit des présidents nigériens Issouf Mahamadou, ivoirien Alassane Draman Ouattara, ghanéen Nana Akufo-Addo, Nigérian Mohamedou Buhari et Sénégalais Macky Sall. Vont-ils pouvoir y arriver à trouver euh, la solution à cette euh, crise J'espère qu'ils vont trouver la solution. Mais en tout cas, au stade actuel, euh, ce que les Maliens disent, la CDAO et eux, ils ne parlent pas le même langage. Eux, ils parlent de l'avenir du Mali. Ils ont l'impression que le pays lui-même il est menacé de disparition. Mhm. Ils disent il y a la guerre civile au Mali entre communautés. Une partie du territoire ils n'ont plus le contrôle là-dessus. Euh, la, moitié du territoire. la souveraineté du pays est, est compromise. C'est donc tout un système qui est là qu'ils combattent. La corruption est là. La CDAO réduit tout presque à l'événementiel l'événementiel, c'est par exemple la question des dernières élections avec la question de réintégrer une trentaine. Alors qu'il y a des questions profondes. et, donc les Maliens disent, non, la crise telle que nous on la vit, nous posons aujourd'hui le débat sur l'avenir du Mali, qui est totalement menacé. La CDAO agit, comme Suleiman l'a dit, comme un syndicat en fait. En fait, pendant tout ce temps-là, regardez, il y a eu les accords d'Alger, euh, pour sauver la, question de Kidal. Les Nations Unies se sont mêlées de cela, euh, le G5, etc. Mais la CDAO ne bouge que lorsque le fauteuil d'un chef d'État est en cause. Et donc, ça, renforce l'image de syndicats qui lui colle depuis des années au sein de l'opinion africaine. Ils partent, la seule chose qu'ils disent, nous, a une ligne rouge. Il ne faut pas qu'IBK tombe, parce que si Ibeka tombe, d'autres vont tomber par la suite. Et donc, le seul enjeu, on a l'impression, c'est bien cela. La CDAO avait annoncé une aide pour le vieux 5 Sahel pour dire on va quand même se mettre ensemble, faire des cotisations, renforcer le budget du vieux 5 Sahel pour essayer de combattre le terrorisme. Les Maliens en souffrent, les vivent au quotidien dans leur chair. Est-ce que la CDAO l'a fait mais le jour où le fauteuil d'un chef d'État est en cause, la CDAO est extrêmement active. Elle rappelle qu'elle a un protocole sur la démocratie. Les Maliens disent il faut que le Mali existe pour qu'on fasse la démocratie. Et le débat qu'il pose est bien à ce niveau-là. Et donc, aujourd'hui, à mon avis, pour l'instant, la CDAO et les Maliens ne parlent pas le même langage. La CDAO est là. Euh, vaut mieux tard que jamais. J'espère qu'ils ne, vont pas simplement se limiter à dire il faut qu'on sauve le soldat Ibeka. Il faut bien que la CDAO se dise le Mali est partie intégrante de la CDAO. Le Mali est menacé aujourd'hui dans son existence. Et les Maliens disent il faut combattre tout un système. Alors aujourd'hui, le plus difficile pour eux, c'est quoi Ils demandent le départ d'un président. Je pense que euh, Rufai l'a rappelé. Diko avait déjà dit faut pas que tout soit cristallisé autour d'une personne, la personne d'Ibeka. Il s'agit bien d'un système qui a commencé quand même avant lui. Euh, il n'a rien fait pour l'arrêter. Et donc, la question aujourd'hui, telle que le pose la CDAO, est-ce qu'il faut garder Ibeka, sachant bien qu'il n'a aucune réponse pour la demande des Maliens Les Maliens disent il peut rester à sa place, mais il n'a aucune réponse pour nos exigences. Est-ce qu'il faut continuer à le garder Maintenant, l'autre défi, il n'y a presque pas d'assemblée. Il y a quelque chose qui est là. Euh, les Maliens le contestent. Il La cour constitutionnelle est tombée. Pas de gouvernement. Et donc, la présidence est l'une des rares institutions qui tiennent et fortement contestées. Alors, la question aujourd'hui, euh, à force de vouloir coûter que le départ de Ibeka, qu'est-ce que ça coûte de les faire partir aujourd'hui? Parce que ça suppose qu'il faut continuer la désobéissance civile, des manifestations à Bamako, dans un pays qui est en guerre. Là aussi, évidemment, il faut se poser la question est-ce qu'en même temps qu'on conteste Ibeka, il y a un mécanisme qui permette de ne pas laisser un vide dans un pays en guerre ou si d'aventure il venait à tomber Et donc, à mon avis, il y a vraiment des questions de fond. Et cette question du Mali, comme euh, la Rufai l'a évoqué, c'est la même question pour un pays comme le Niger c'est la même question sur les autres. Alors, on a une gouvernance. Ailleurs, on n'aurait peut-être pas attendu la désobéissance, parce que le président aurait démissionné en disant, écoutez, si vous me contestez, si ça ne dépend que de moi, j'ai démissionné. Ailleurs, on a vu, ça peut arriver. Mm. Mais en Afrique, tu es là, regardez même euh, des, membres du gouvernement, tu es impliqué dans des affaires, tu as volé de l'argent, tu as volé des trucs, mais tu es là à ton poste, tu ne démissionnes pas. La question des responsabilités en Afrique, les hommes politiques pensent qu'ils n'ont aucune responsabilité. Qu'est-ce que les Maliens ont, fait Ils disent, bon, il y aura des élections, on va voter et puis on va sanctionner. Ils se rendent compte, comme le dit l'imam Diko, dit, les élections en Afrique, c'est du blanchiment. Vous avez des gens qui sont bien organisés pour voler et il y a une cour, une institution judiciaire qui est là pour blanchir le vol. il ne croit plus à ce système-là. Alors la question maintenant, la CDAO va dire, OK, gardez ce monsieur, même s'il ne vous donne rien. C'est un peu ça le, message de la CDAO. Les Maliens disent, non, ce monsieur, il a déjà fait un mandat. Du coup, rappelle qu'en 2013, nous sommes parmi ceux qui sont battus pour qu'il soit au pouvoir. Mais on se rend compte qu'on s'est trompé. Il n'a pas de réponse aujourd'hui pour le défi que vit le Mali. Et avec lui, on va chaque jour un peu plus dans l'abîme. Alors la CDAO dit, gardez les quand même. Pourquoi Parce qu'il est membre du syndicat. À mon avis, c'est simplement cela qui dit la CDAO. et le problème qui se pose, c'est que si aujourd'hui, supposons qu'Ibeka démissionne, qui va prendre la suite il faut faire confiance au peuple malien. C'est ce que j'ai dit. Alors, parce que le plus souvent, ce qu'on voit, et peut-être que les gens le disent aussi à raison, c'est de dire ceux qui contestent n'ont pas toujours les mécanismes pour donner une réponse au cas où la contestation porte. À mon avis, les Maliens, ils ont déjà fait l'expérience avec l'affaire de euh, Haït Sanogo, où, ils ont fait tomber un régime. Est-ce que l'armée ne va pas profiter pour prendre le pouvoir Je pense que L'armée malienne, peut-être que si elle a vraiment retenu la leçon que, de Sanogo, où le Poutine se retrouve du jour au lendemain en prison. Peut-être que, mais l'armée malienne n'a aussi aucune réponse. Hein. Je ne sais pas si l'armée malienne aujourd'hui. que l'autorité morale la plus respectée, lui aussi, on le reproche d'avoir des acquaintances avec les terroristes. Il se reproche de Yed Agali, cest à que bon, vous voyez, en fait, c'est dire que, franchement, le Mali a un parti de repères. C'est-à-dire que, dans ces ah, ah, conditions. cette, autorité-là, oui. Oui, ah, oui, j'écoute bien ce que, ce, ce que dit quand par exemple Goodluck Jonathan dit si le Mali s'effondre, toute l'Afrique s'effondre, qu'est-ce qu'on voit derrière la contestation malienne On voit des groupes religieux très mobilisés et que désormais la démocratie est menacée parce que devant sa défaite, les groupes religieux deviennent de plus en plus puissants et c'est eux qui sont écoutés par les communautés. Et donc, la menace, c'est en fait l'arrivée des islamistes au pouvoir. C'est un peu ça. Alors, pas seulement les islamistes qui prennent les armes, y compris Imam Diko, qui est quand même avant tout un imam, pas quelqu'un d'un parti politique. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukar de la radio alternative, El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, et Rufai Dandoua, journaliste indépendant. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme d'Issidio studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa sur la fermeture des frontières et Covid-19 sur le commerce à Konni. Et dimanche, le forum en Zarma sur les droits et devoirs des citoyens en matière de santé au Niger. Merci aussi à la technique côté son assuré par Saini Saka et côté vidéo Mustafa Ayuba. Merci, au revoir.